très ravie de vous retrouver sur votre émission des jeunes. de fatan Duka shirin. suka huce annoba kala-kala sun garuruwa da dama Niger. Avec des inondations comme celle dévastatrice de 2020, ou encore des crises sécuritaires qui touchent les régions de Tilaberi, Bifa, Tawa, ou Maradi, in da nasu masu hannu shuni su runguma On ne peut pas louper l'élan de solidarité des structures des jeunes, des jeunes filles, que ce soit pour des collectes de fonds ou de vivre, ou même comme on l'a vu en 2020, suna taimakan bayan Allah wanda ambali ruwa ta musu banna a unguwar haro banda ta nan birnin yamai cikin shirinmu na yau mun gayyato su wa'annan matasan mu ji yaya ne suke tsara wannan taimakon nasu comment s'y prennent-elles pour soutenir les communautés touchées par des crises c'est installé à la place Monteil en face du commissariat central de Niamey za mu wannan hira tare da amunan namu wanda muka gayyato a cette fada aujourd'hui nous sommes avec euh, Indo Mohamed Sani elle est du CNJFL, la seule nigérienne de jeunes filles leaders mais également du système À la cellule, tu es même trésorière. <laughs> T'as l'air trésorière, ok. <laughs> Ça va ma belle, tu vas bien Ça va très bien. Donc, moi nous avons ce tous à la fada. À ah, la fada, Mon Rahila Alio. Elle est de la même structure. Ça va Rahila tu vas bien? Ça va bien. Merci. Mouna Tarada, da Rakia elle est de Arda Ça va Rakia? Ça va, alhamdulillah. Hein? Hein. De dama? De dama. ravi de te retrouver. à nouveau sur la Fada. <laughs> Nous sommes avec Kadidia Idani, elle est de la JFSR, l'association des jeunes filles pour la santé de la reproduction. Ça va? Oui, ça va. Tu vas bien, Kadidia? Oui, ça va. Super. Vous l'avez compris, amis de la Fada, aujourd'hui nous sommes avec des miss, des super héroïnes avec leur cap et tout. <laughs> Donc, il euh, n'y a pas de fada sans musique. Forcément, on aura notre musique pour les galvaniser, pour les encourager. Nous aurons la rubrique qui est l'affaire de Mr. Dondi et la chronique de Mr. Olivier. Contribution des structures des jeunes filles face aux catastrophes qui touchent leur communauté. Maudou et Mouna Direct Zanzo euh, euh, Quelles sont les urgences auxquelles, face auxquelles vos structures accompagnent souvent les communautés kamar wani irin tashin hankali ne ko wani irin matsaloli ne in al'umma ta fuskanta kuke tare da su to yanzu in na diba ga kungiyar tamu ta yara da yara 'yan mata da maza CCNOG ba la cadre consultatif nigérien pour les enfants et les jeunes mhm. um, eh, matsalolin da muke fuskanta sosai kun ga akwai na inundation mm. da ake ambaliyar ruwa ambaliyar ruwa eh mm. yanzu da an ce akwai ambaliyar ruwa kun san da le premier victime yara ne da mata to mu kuma duk abin da ke taba yara kankana bremen abin nan yana taba mu <laughs> don muna muna muna yin abubuwa cikin su irin wa'annan problem ɗin eh. kuma mm. akwai eh, annoba ga ta zamani da ta zo covid-19 mm-hmm. shi ma eh, situation d'urgence ce wadda mun yi abubuwa da yawa don mu fuskanci matsalar wannan mm. kuma akwai insecurity ita ma mm, kusan tashin hankali eh shi ma mm. tashin hankali in akwai shi kullum le premier victim yara ne da mata don na wurin ma muna yin activity saman kan shi mhm. to ai anan tare da mu muna da kuma wanda suke cikin santiru laru production cikin abin da ya shahi dai ana iya lahiyar jiki kuna cikin shi dija idani ok merci Je, je dirais sur l'ensemble des, des, crises, que ce soit surtout les inondations ou encore les crises sécuritaires. Parce que euh, c'est comme elle a eu à le dire tout à l'heure, les jeunes filles et les femmes sont les plus impactées et les enfants. Et à ce niveau, facilement, il y a des maladies. Il y a des maladies si on prend les inondations facilement, comme les IST, euh, tout ce qui va euh, le avec le paludisme et tout. Donc, nous intervenons plus pour pouvoir sensibiliser, pour être dans la prévention, par exemple, pour amener les gens à comprendre, voilà, c'est une catastrophe, c'est quelque chose qui est arrivé, on ne peut pas l'empêcher, mais qu'est-ce que je peux faire pour me protéger, par exemple On le fait. Et dans les crises sécuritaires, par exemple, aujourd'hui, surtout à Tilaberi, tu parles de crise sécuritaire, crise sécuritaire, il y a tellement de, de défis. Par exemple, on a euh, des cas de violences sexuelles, des cas de violences psychologique, qui agit sur les jeunes. Et généralement, c'est les jeunes filles qui en sont victimes. Donc, il faudrait aussi intervenir d'urgence, puisque la situation est d'urgence. Il faudrait aussi mobiliser, que ce soit nos membres, que ce soit, et même interpeller l'État et les partenaires qui sont là pour dire, à ah, cette zone est sensible, cette crise qui est là, voilà les risques auxquels les jeunes filles euh, et les, femmes en cours faudrait prendre les dispositions urgentes également pour pouvoir les protéger et interpeller et sensibiliser ces, euh, ces, communautés-là, ces femmes et ces filles-là, pour pouvoir dénoncer, savoir que ce c'est pas normal. Hmm. Elles n'ont pas à subir ça. Et quand ça vient, il faudrait qu'elles puissent parler, qu'elles puissent partager pour être prises en charge et justement pour permettre à nous,

da ku za a wannan yakin da ku za a wannan aikin kenan kuna tare da gwamnati muna tare da su a nan wannan fadar muna tare da arda yesu kuma dai kuna vous êtes aux côtés des jeunes filles des enfants oui. to ina so in sani mhm. wani irin taimako ne kuke kai musu su mun ji nan suna waye musu kai ko kuma in ana cikin irin wannan matsalolin da al'umma ke fuskanta da iya mata ke fuskanta da yara wani irin taimako ne kuke samu kuna kai musu to a gaskiya mu taimakon da muke kawo musu kinga kamar matsala wannan kin da ake wannan inundation da ake zance dazu muna ne da association kin mu kungiyar ta mu mun samu wata rana mun yi wata collective dofan que mu abin da muke yi kamar suciyan financier ne kuma da suciyan moral muke kama population okay suciyan financier kenan kawai ku kuɗi kuɗi muke tattarawa mu kai eh. musu tunda kinga yanzu an ka dauki kakin inundation mutane abincin su sai ya tahi ruwa zai tahi da shi ruwa ya tahi da tuhahin su sai su dawo ga sanan ba su da abun da za su ci ma to yanzu mu abin da ya shahi dan uwanka ya shahe ka shi yasa muke samu mu tattara mu ce to mu kiran wani da wani mu ce ga yana muna so mu wata eco collect haka ga mu tattara abin da za mu iya tattarawa don mu isar da shi wurin waɗanda abun ya shafa mu zamna mu yi hira tare da su mu gwada musu da muna tare da su shine su can moral kin da muke ka musu kuma su can finance kin shine mu tattara mu sai musu ko kayayyaki kayan jiki kuma da abinci da za su samu su ci na kwana biyu haka nan tunda ba matsala bace da za mu iya kama solution gaba daya sai dai mu yi wani dan kota wani bangare wani bangare kuma sai a hankali kuma zuwa sannu sannu insha Allah mu samu mu yi shi muna tabo matasan da ba su Niger kamar yan uwanmu ne sai da Nigeria amma kasashen waje suke karatu eh. sai mu kira su mu ce musu gashi gashi abin da muke so mu duk wanda ya sai yana da abun shi babu karama babu karama contribution duk wanda ke iya aiko abin da ke iya aikowa ga yanan mun ba juna yan muwa mu tattara abin da zamu iya tattarawa cikin wannan watan mu samu mu isa da shi wurin mutanen da ke bukata to irin waɗannan abubuwa ne muke yi mu gaskiya tare da matasa mata da yara da suke cikin matsaloli irin haka nan ne muke mu kama musu kuma le plus souvent waɗanda muke taimaka masu ne orfelina. Mm. wa mm, filina ne marayu ne ma kwarai da marayu yau mu ne uwayensu ba uwa ba uba mu ne muke tare da su don in mun kaji an ce cikin wanga orfelina suna da bezon kin abinci ko kuma yara ba su da kaya kuma taran kina shi ana cewa gajin jirai na ko madara sha babu kin gani abun yana ba da tausayi ko alhaki sai mu kama mu kiran juna mu ce to gashi gashi an ce tal orfelina ga abin da yake faruwa ya zami mu zamna mu yi hira mu yi magana mu ta mu iske orfelina kin shugaban orphanage mu yi magana da su su gaya mana vraiment besoin kin su gaya wanda ne da wanda ne sai mu tattara mu muke ita da mu taimaka kai musu mu zamna mu hirta da yara su san da vraiment muna tare da su franchement matasa gaskiya mu taɓa maka yawa mu taɓa maka gaskiya ko ƙarar da wajen ki rahila aliyu yanzu mun ji wannan rakiya ta kwatanta mana da suke har suna samun matasan da suke a l'exterior suna riyashi da su suna aiko musu dan abun hannunsu kowanne ne na da taimakon shi dai to ina so in sani c'est si facile que ça d'organiser euh, ces collectes de fonds. Comment vous vous y prenez vraiment je peux parler français ah vas-y vas <laughs> voilà en fait pour pour ce qui est de la collecte des fonds généralement comme nous sommes des structures et une structure est composée de beaucoup de membres à la fois et qui sont engagés pour, une cause. Donc du coup, quand on a ce genre de situation d'urgence, on s'assoit, on réfléchit à comment on peut aider ces populations, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ces populations puissent euh, être dans de meilleures conditions, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que, pour, que ces populations comprennent qu'elles aussi, elles peuvent faire euh, des choses pour pouvoir contribuer à leur propre développement. Donc du coup, généralement, on fait des campagnes digitales. Voilà, voilà. Oui, oui. Voilà, voilà, voilà. Facebook, sur WhatsApp, c'est Voilà, muna, muna Comment mm. on fait une réunion à l'interne pour mobiliser les gens et chacun peut apporter ce qu'il a et puis nous pouvons faire des choses. Comment on part sur le terrain généralement muna formation. Généralement nos formations comme nous sommes une structure de jeunes filles, on a mis en avant le leadership féminin. Donc comment est-ce que les filles et les femmes peuvent euh, contribuer au développement du pays Comment est-ce qu'elles peuvent prendre conscience qu'elles ont des capacités qu'elles peuvent apporter peuvent vraiment voilà, impacter. voilà, Comment est-ce qu'elles peuvent se faire confiance Donc du coup, vraiment, nous, nous misons plus sur ça. Et ça marche Ça marche très bien ça marche très bien vraiment. Il y a ben, des, exemples vraiment que <laughs> moi-même j'ai apprécié. J'ai compris que vraiment au Niger, c'est pas que les femmes et les jeunes filles ne sont pas engagées, elles ont besoin d'être un peu poussées pour pouvoir réaliser des choses incroyables. Ok, ben voilà. <laughs> les filles, euh, girl power, ça marche. <laughs> ça marche et ça donne. Et euh, c'est sur l'émission Tous à la Fada. Aujourd'hui, nous sommes avec, euh, je vous l'avais dit tout à l'heure, nos super héroïnes euh, des structures des jeunes filles et des structures des jeunes et des enfants qui sont à nos côtés aujourd'hui. rubrique l'artiste s'exprime et on se reprend juste après. Tout sur la musique, c'est avec la prof aujourd'hui. Elle répond au nom de Sylvette Leblanc. Dandy, la machine te souhaite la bienvenue. <laughs> J'espère que tu vas bien. Je vais Dis-moi que tu es en forme. Je suis en forme. Eh, super. Je suis un peu chez moi quand même. Ouais, bien sûr, Niger. On va d'abord parler de, Sylvette. Qui est Sylvette euh, C'est compliqué, hein. Mais bon, je suis d'abord avant tout une chanteuse. Ok. Auteur, compositeur, interprète. J'ai plusieurs casquettes. Je suis aussi euh, ce qu'on appelle aujourd'hui coach vocal. Euh, je suis productrice de Massa Aimé et j'ai produit bien d'autres artistes avant. Et j'essaie d'aider beaucoup avec des conseils, avec plein de choses. J'ai été professeure dans une école de musique que j'ai moi-même créée, donc j'étais la directrice. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc c'est difficile de faire un résumé <laughs> comme ça. c'est difficile de faire un résumé, surtout que le temps fait de faux sur cette émission, mesdames et messieurs. C'est quoi un coach vocal C'est quoi une prof de chant Coach vocal, ça peut être quelqu'un qui t'aide à chanter à peu près juste. Mhm. Mais professeur de chant, c'est un métier, ça s'apprend. Moi, j'ai fait 18 ans de conservatoire entre la technique vocale, entre le solfège, entre tout ça. Il faut apprendre à utiliser euh, sa respiration, la respiration basse, et c'est pas toujours évident. Il faut apprendre à gérer aussi euh, la bouche, comprendre que un son qu'on envoie comme ça, c'est pas juste ah, non, le son il circule, voilà, dans dans beaucoup de choses. On va, on et donc, cela. on va tout ça. on va prendre cela sur cette émission. Euh, je voulais juste dire une chose avant, en préambule. Mhm. Mhm. c'est que C'est la technique vocale. Elle n'est pas là pour changer la personne. On n'a pas le temps, Sylvette. Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut retenir le Déjà, apprendre à respirer. À euh, euh, respirer par le bas des poumons, en fait. de manière à ce que la colonne d'air soit bloquée ici et que tu puisses avoir beaucoup d'air quand tu chantes. Voilà. Sinon, si tu chantes sur ta voix, tu fais ah, ah, ah, ah mhm. Voilà. Si moi j'utilise ma colonne d'air et que je fais la même chose, je vais faire ah C'est subtil, mais en tout cas j'ai de l'air pour travailler. <laughs> C'est de votre là. <laughs> On va parler des termes de musique. D'accord. Première chose, auteur. Auteur. C'est celui qui écrit les textes. Auteur, c'est celui qui écrit les textes. Compositeur. Sylvette Leblanc. Aujourd'hui, beaucoup de gens aussi se disent oh, Je suis producteur. Qu'est-ce que c'est qu'un producteur ben, Un producteur, c'est clair, c'est celui qui paye le studio, qui paye euh, les arrangements, qui paye euh, la mise en place d'un album. Voilà, ça c'est le producteur. Sylvette, tu sais quoi Nous sommes à la fin de cette première partie consacrée à la jeunesse nigérienne. Est-ce qu'aujourd'hui, l'autrice, est-ce qu'elle a un mot à l'endroit de la jeunesse nigérienne Alors mon mot, il va être très simple. La musique, c'est avant tout une passion. Donc, si on veut faire de la musique pour gagner de l'argent, on peut en gagner, certes, mais il faut absolument pas que ce soit le but. Vraiment, il faut s'accrocher, il faut travailler, il faut être passionné. De préférence, il faut apprendre un instrument parce que c'est quand même plus simple pour composer. Il faut travailler, vraiment travailler. On s'improvise pas musicien. C'est des années, des années, des années de travail. Sur ce dont dit la machine et Silvestre le blanc et les humains qui sont de l'autre côté prennent congé de vous. Merci bien, c'était l'artiste exprime de Dondi. On revient à la FADA aujourd'hui installée juste en face du commissariat central. Nous sommes en plein centre-ville avec nos structures de jeunes filles. Aujourd'hui, il est question de leur apport. Comment elles contribuent, ces structures, comment elles contribuent lorsqu'il y a des inondations, lorsqu'il y a des crises sécuritaires, comment elles font face, comment elles accompagnent les communautés. 'yan mata da yara wanda suke cikin tashin hankali wanda suke cikin suke cikin matsaloli da dama yau shi ya samu ka gayyato su mu wannan hira tasu kuma kun shi ɗaya bayan ɗaya kowace tana nan gaya muna irin taimakon da suke kawo ma 'yan uwan nasu iya mata da yara to zan ci gaba da wannan hira kun gane dai waɗanda muka gayyato yau ko indo indo muhammad sani muna tare da rahila aliyo da rakiya bube ta arda yesu da Khadija Idani euh, ta Association des Jeunes Filles pour la Santé de la Reproduction yau tare da su nike nan ina wannan hira. Za ni ci gaba da tambayar ta ta hudu su wane ne waɗanda kuka fi taimaka cikin aikin naku? Indo? Waɗanda muke yawan taimakawa su ne yara yara kankana mata 'yan mata da 'yan maza. Yara dai za mu cewa a takaice. Eh, mm. Tunda gaskiya su ne muka gani kama eh, wa'anda suke buƙatar taimako sosai tunda su yara ba su iya taimaka ma kansu in suna cikin matsala dole babban ilfoki ya kama mishi saboda shi ne mu su dai ne abin daga bayan yaran kuma akwai mata kuma mm, muna taimaka ma mata sosai eh. ok mhm. L'un des inondations qui ont éprouvé des milliers de familles, notamment à la rive droite, en 2020, ko a lokacin da 'yan jihar difa suka tsunduma na Haram eh, Nous avons vu, nous vous avons vu aux côtés des sinistrés, lançant des appels sur les réseaux sociaux. Avez-vous été soutenu par les autres jeunes qui ne sont pas dans vos structures Est-ce qu'il y a eu cet élan il y a avec les autres jeunes qui ne sont pas forcément membres de vos structures Oui, oui. Aujourd'hui, je dirais que de plus, euh, de plus en plus, on est solidaire entre nous jeunes parce que au-delà des jeunes individuellement que nos appels touchent et qu'elles réagissent, il y a des structures qui réagissent. Aujourd'hui, je décide de faire une activité dans, communautaire, par exemple, d'apporter euh, euh, notre appui, par exemple, à une situation, inondation ou crise sécuritaire. Quand j'en parle à Ardaïso, ils sont là vont m'appeler, on y va ensemble. Quand je parle à la cellule, ils sont là. Quand je parle à la CNJ, ils sont là. Parce qu'en réalité, c'est vrai, nous avons des cibles un peu... Euh, nous n'avons pas les mêmes cibles, mais nous avons les mêmes objectifs. Et il une sorte de synergie. Voilà. Et ces cibles sont tout le temps ensemble. Là où on trouve des jeunes familles, des filles, on va trouver des enfants. On va trouver des orphelins. Mhm. Et du coup, c'est cette synergie-là qui nous donne plus de force, qui nous réconforte parce que c'est vraiment pas facile. Hein. Tout à l'heure, je disais, on passe des nuits blanches, souvent on pleure, les obstacles pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, c'est énorme à supporter. Mais quand on est ensemble, on arrive à vraiment à s'épauler, à avancer ensemble. Et c'est ça notre force. Il y a vraiment cet élan de solidarité entre les jeunes qui, je me dis, euh, constitue la force au fait pour la jeunesse. Mhm. C'est ce cap-là que nous devons garder, que nous devons continuer à faire. Euh, ne pas se dire parce que l'initiative ne vient pas de moi, je suis dans mon coin. Non. C'est vraiment pour la communauté, c'est pour tout le monde. C'est servir sa communauté, c'est vivre utile. Donc partout où tu vas, tu, tu crois que tu es utile, tu vas être utile faut jamais hésiter pour t'engager, faut jamais hésiter pour soutenir. Donc c'est vraiment, je dirais que nous, en tant que jeunes, c'est un défi, surtout les jeunes filles. Hein. Ah ouais. Surtout les jeunes filles, la <laughs> solidarité, la solidarité féminine. On l'a commencé, c'est notre force, c'est ensemble qu'on peut y arriver, c'est ensemble qu'on peut changer les choses. Et déjà, on est en train de changer les choses. Donc, je dirais, pour nous de continuer dans cet élan. Et je dirais merci à toutes ces eh. personnes <laughs> matin, qui euh, répondent à, nos appels, qui sont toujours présents. <laughs> Merci beaucoup. Bien matin, vraiment, ce qu'on va remarquer, ce qu'on sent, certainement nos auditeurs le sentent comme moi ici, c'est votre motivation, elle, elle, est, elle est profonde. Mhm. Très. Ma belle. Rahila. Rahila, Alio. Parle-moi de cette motivation. Parce que si on remonte un peu dans le temps, est-ce que les jeunes filles euh, avant, elles étaient aussi impliquées dans tout ce qui touche à leur communauté J'ai l'impression que yanzu wani kamar wani wani wani sabon karhi ne ya mata suke nan samu daga ina ne wannan karhi yake muku ni ta zan yi <laughs> eh. karhin nan ni cewa zan yi wannan kuzarin ya zo ne daga yanzu mun kanun mu sun waye mun gane da 'yan mata bai kamata ba a kullum a ce mu muna baya dan in an diba an gani a Nijar mata sun yi yawa kenan ya kamata mu da an mata kuma 'yan mata mu gane da muna da eh, contribution da ya kamata mu kawo kuma voila kuma mun gani ne mu mu kama a ce mu nous nous avons des masters nous avons des licences mun ce to Nous avons des jeunes sœurs qui sont dans les villages, dans les communautés, qui n'ont pas forcément la même chance que nous. Donc, mine ne zan mu iya don mu taimaka musu, don su ma yau in ba mu nan su su wurin mu Kenan shine yasa muke samu karfi muna, muna ci gaba da mu Super! <laughs> on va, on va vous souhaiter bon courage. On Merci va vous beaucoup. envoyer euh, plein, plein de fleurs, plein d'étoiles, plein de bonnes énergies. Merci. Vous allez me proposer une musique qui va encourager toutes les jeunes filles, une musique qui parle à la jeune fille. Selon vous, on met quoi comme musique Mata de euh, Soga. Ben voilà, on écoute Mata de Soga <laughs> pour nos mamans, pour les soeurs, pour les plus grandes, les plus petites. On leur propose Mata de Soga et on se reprend juste après. à la FADA, nous sommes avec nos super héroïnes. Aujourd'hui, à la FADA, on parle de leur contribution. Yayane, Siki, Temakama, ‘yan uwan nasu, mata da yara lokacin da suka shiga cikin wasu mugayen halaye lokacin da tashin hankali ya taɓo su mine ne suke wani aiki ne suke kuma yane suke shi yasa yau muka gayyato amunan namu wanda suke cikin ƙungiyoyin matasa da na ‘yan mata da na yara muka zo yau mu hira tare da su a nan fas kwamsariya central babban birnin yamai na muka dora fara tamu ta yau zan zo ga tambaya ta ta karshe bisa kan wannan shirin nawa arrivez-vous à mesurer l'impact de votre implication ou de celle des jeunes quand ils s'engagent dans ce thème Ouma Est-ce que vous arrivez à mesurer cet impact To, yanzu muka diba kama akwai wani proje na wurin da eh, Oxfam da Danida sun ka yi ga da muke nan ga yi a jihar tawa da a jihar tawa da tilaberi to wannan proje in kama don mu zo ne ga taimakon yara da mata da suke cikin abin ga insecurity da e da wa'anda kuma sun kabar da mahallinsu ba su da gida ba su inda za su yi ba ba su da aikin da kuma za su yi domin su samu kuɗi ko wani abu to yanzu um, wannan eh, proje in da muka sanya a caurin tilaberi muna yin sensibilisation sosai muna yin eh, me ake ce mishi caravan muna caravan wurin ƙauyuka ƙauyuka hakan ga muna zuwa muna musu eh, message na sensibilisation kuma kuna ganin canji cikin aikin da kuke muna ganin canji sosai muna ganin hmm. canji sosai saboda shine muka yi continue paske tun bari muka fara shi hmm. bana ma mun kara samun finance don mu kara continue abin ga in kuma okay. canjin da muke gani in fact muna ganin wayewa eh, hankalin hankulan matasa na wajajen tunda yau yanzu in akwai insecurity cikin wuri mutum sai ya ce to shi bai da kuɗi bai da komi kuma yana da iyali da ya kamata ya ci da dole zai shiga cikin kamar rebellion in nan ko wani abu domin ya samu kuɗi don ya yi nuri da infami in shi mun yi romarke da wannan sensibilization da muka shayi cikin wuraren nan ko mutane sun yi son su yi ayyukan ga eh, activities generative eh kamar na gara hakan ga ko eh, ƙananan ayyuka na hannu ba sai da domin su samu abin za su ci da iyalin su pluto ke stay su shiga cikin wannan mugun abin ga kenan abin abin ne wanda vraiment yana ba mu courage sosai don mu continue cikin shi abu ne da muke yi pour les enfants mais en fait, l'impact, même, même au niveau des adultes, on est en train de, de, remarquer ça. <laughs> les gens sont en train de changer de mentalité. C'est super ça. Voilà. Après, ça, Oui. Et là, vous arrivez, vous arrivez à faire bouger les choses quand même. Oui. Du mieux qu'on le peut en tout cas. Muna iya kokarin mu mu samu mi en yan uwanmu matasa mhm. que ce soit les jeunes filles ko kuma yara. Donc ont, ɗauka kakin da take gayi kamar mutane yanzu a yau sun yi da son su yi yan kananan ayyuka da zan samu kuɗi su ci da kansu da sai suna bin titi suna bara dan shi yasa nake so muku zancen wani situation da muka muka yi fuskanta na nan anya mai kware karce kware ta gidiyan makahi da suke can da masu jan su ne makahi ko kakin nan su suna kullum bisa hanya tare da su son da jeune fille in kun gane su 15 ans 16 ans 17 ans yarinya na nan da wani tsoho ko tsohuwa bayan ta tana bisa hanya tana nan ga jan su il font face à beaucoup de danger en fait vraiment bani so in shiga cikin detail da yawa me in muka hira da su suna gagaya muna abubuwan da ke samun su kisu sale accident routier mutane na iya zuwa a kade su rishin lahiya kuma da yan maza da ke abordan su da vraiment ba su son eh da suke so sa cikin wani lalata da wane ne vraiment muna hira da su suna gagaya muna irin wannan abu wannan yasa mun ka zamna muka refresh mun ka yi domin da muka samu muka samu fund da wani abun ga daki foundation da ake cewa mastercard su kuma na finance wani dan karamin project da muka yi a can da muke so yanzu mu kara insha Allah mu sa project ya girma muka tai muka yi insha Allah eh muka samu trois jeunes filles da muka tai muka kai su darul nisa foyer na an kai formen su suka iya makiyaji wani attaché de fular wani decoration da wayene sun ka koya a muka ce musu yanzu su da suka koya sun zama na ambassadrice ba su tai su zama kadai ne ba tunda karshen su akwai yan mata jiyawa irin su da ba su komi kenan su da sun ka koyo su tai su koya ma saura don haka mun ka samu kowace da muka yi forme ta samu mata hudu kuma da ta yi forme don ko jour d'aujourd'hui le 27 février dernier aka yi remise de diplôme kin su su 15 muka yi forme suna can kwara ta gi mun bude musu nan foyer suna don dan foyer kin su nan waɗansu sun iya savon liquide waɗansu sun iya shampoo da melan waɗansu chemki makiya suka iya iyawa me dukan su in suka le tout formé un ensemble en fait dukan su suka zama na tare suna da ƙarfi muka ce musu to yanzu ya kamata su ci gaba da yin haka nan parce que bai iya tsayawa ga su kadai yau in sun ka samu suna aikin nan ko da a tashi da fula ne suka yi aka ba su milfran yau milfran sun ci da gida in mashi in ma shinkafa ce ko wani abu sun ci da gidansu to haka nan haka nan ne kaɗan kaɗan ka ce ba ta hannu zuwa sannu sannu ne amma insha Allah za mu sa abun ya girma donc vraiment impact kin da ni zan iya muku zance da mun samu yau c'est sur ces jeunes filles là exactement c'est palpable sur le terrain exactement on vous applaudit alors exactement merci Henri jeune <laughs> Euh, on tire tout doucement vers la fin de cette émission, mais avant de se dire au revoir avec nos super héroïnes, nos Miss, <laughs> on va donner la possibilité à Olivier de nous éblouir avec la chronique et on se dit officiellement au revoir sur Salafada. Amis auditrices et auditeurs, bonsoir et bienvenue dans la FADA. Ce soir dans la chronique, nous allons parler d'un événement planétaire qui a eu lieu le 16 mars 2022. Ce 16 mars 2022, loin de nous, précisément au Porto Rico sur le continent américain, L'événement Miss Monde 2022 a été suivi par des millions de téléspectateurs. Cette année, l'Afrique a été représentée par 12 candidates parmi lesquelles l'ivoirienne Miss Olivia Yassé. Celle-là qui a été deuxième dauphine Miss World 2022, une première ouest-africaine qui a fait réagir des internautes au-delà des frontières nigériennes. En Côte d'Ivoire, les yeux des internautes se sont régalés de spectacles. Eh bien, ils n'ont pas hésité à réagir. Ils sont nombreux à réagir, et même ici au Niger. Et parmi les réactions, la célèbre activiste Nena Nakwana n'a pas hésité de partager 10 leçons de cette édition Miss World 2021. Première leçon, l'éducation reste le meilleur investissement dans cette vie pour un pays, un parent ou une personne. Elle, l'éducation, bien sûr, remplace pas seulement l'ignorance, mais plus elle ouvre l'esprit. Deuxième leçon, une fille éduquée vaut mieux pour ses parents et sa nation. Elle euh, rapporte plus que l'argent. Il y a certains niveaux qu'on n'atteindrait pas qu'avec un esprit ouvert, éduqué et focus. Troisième leçon, il y a des choses qu'un peuple fait pour soi, une fois que son honneur et sa dignité est engagée. Personne n'a demandé aux Ivoiriens et Ivoiriennes et aussi euh, aux Ouest-Africains de rester tard dans la nuit et suivre euh, un événement. Ils ont décidé tout seuls et ils l'ont fait. Si seulement les gouvernants pouvaient comprendre que le peuple ou bien les peuples ont des intérêts liés à leur propre dignité, bah rien à voir avec de la politique bien sûr, le monde, le côté ouest africain surtout sera beau. Quatrième leçon, il faut supporter une cause dans cette vie. Supporter les éléphants de la Côte d'Ivoire ou encore le MENA est une bonne chose. C'est une école à part entière une école de musculation de cœur, comme le diraient certains, a commenté en tout cas plusieurs internautes. Cinquième leçon, la dernière de cette chronique d'ailleurs, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. L'excellence ou la médiocrité, par exemple, il faut forcément faire le choix. Faire le choix d'être excellent ou d'être médiocre. Et chaque choix est accompagné par ses contraintes et bien évidemment ses sacrifices. Les amis, rendez-vous demain. C'est le moment de rendre l'émission à mes amis de la FADA. On continue demain. Surtout, Prenez soin de vous, lumière, amour sur vous, one love, et une fois encore, cultivez l'excellence autour de vous. Merci bien Olivier, c'est la fin de l'émission Tous à la Fada. <laughs> Nous étions avec euh, les structures des jeunes filles, nous étions avec Emma matin Makai, Zanjitara Dasu, Wanda Sikechikwa, Unyo Nasu, Namatara Nayara. kun shi ko irin taimakon da suke kawa irin rawar da suke takawa a shakfuwa da aka ce al'ummarsu ko ɗiya mata ko yara suna cikin matsala suna nan tare da su to zan ƙara ba su Allah ƙara ba su kuzari kuma Allah ba su sa'a ina da sako ga mata da 'yan mata kuma da kowa da ke sauraron mu to ina jin aha in gwadi ko sakon mu na karshe eh to sako na na karshe gaskiya da nake so in ba duka masu saurare na mata da 'yan mata da yara da Mm-hmm. tsohi da kowa da kowa haɗin kan da muke nan gayi mun gwada ma kowa gaba da impact kenan ya kamata mu ci gaba cikin wannan mm-hmm, mu mm-hmm. sai in mun kama mun juna ne wai iya me ake ce mishi muke iya ci gaba da sosai da karhi da sauri wala <laughs> mu yi kokari mu yi ta aiki kuma mu dora taimaka ma yan uwan wani suke cikin matsaloli mhm, mhm. ba dan yau ina nan ba ina cikin ina da kuɗi na ina cikin eh, biro ina ina shi daɗi cikin AC na AC in bance mm. da saura wancan eh, waccan tsowa da take kauye tana daka tana wani tana wani ne mm. don vraiment in muka in muka kama juna vraiment Niger tana iya zuwa nesa kenan kawai mu kama kuma mu kuma da muka shiga cikin wanga layi Allah ya ba mu courage in continue Allah ya taimaka mana Allah ya mana fasilitan komai da muke yi kuma Allah ya ba mu lada da lahiya ba da lahiya eh da ƙarfi da lahiya vraiment inshallah vraiment c'est une belle conclusion là c'était une sur tout ça la fada <laughs>